donc soo est les premiers actes yoo la coalition posé le particulièrement le président son excellence M. Bassirou Diomaye Faye et de nommer son comme premier ministre du gouvernement et le professeur Marito Teuw comme étant son le directeur de cabinet rôle est le président Marito nous dafa beaucoup la conférence des leaders Sonko bokk si la coalition est aussi le président du parti passé ça veut dire que cette guisne a une reconnaissance par rapport à lui. Hein, un aussi il y a un choix aussi il a fait un choix qui est orienté au niveau de la compétence parce que nous avons aussi la compétence nous avons le professeur aussi la la constance l'éthique déontologie bo xamné ne le président Ousmane Sonko am ak gëm-gëm bi donc buñ ko aussi loolu dafa nekk loo xam ne ñu rafetlu la au niveau la coalition. ah mais bon de de l'autre côté am na ñuy wax que ni. que ni ñëpp xam nañ que ni Ousmane Sonko que muy que muy Diomaye Pastef seen slogan mooy doon ñoom ñëpp xam nañ que anti système lañ est-ce que suñu ñëwee premier acte ñu posé ñu gis ñu ñu ñu boole ci ci gouvernement bi ñoo xam ne que c'était mën nañu wax. waaw waaw Mary Teuw Niane c'est c'est c'est un pur produit du système. Mm-hmm il a été euh, ministre de l'enseignement supérieur sous, sous Macky Sall. Mhm. Donc, nous puissions aussi reconduire le secrétaire général de la présidence. Mhm. Est-ce que nous avons faire du neuf avec du vieux Est-ce que l'on a dit que nous avons changer le système, mais avec euh, les gens du système le, secrétaire général du gouvernement, euh, l'autre, c'est sur le côté administratif. Parce que l'État, comme il doit c'est une continuité avec l'expérience aussi de la euh, Le professeur Mariton à un certain moment, si le gouvernement euh, président Macky Sall mais à un certain moment il n'est pas produit du système si un certain moment mu parce que si dama système lu muy am si gouvernement donc il aussi mo nek di mais aussi aussi conviction te aussi lu muy dégager je pense aussi euh, képp koo xam ne yaa ngi si coalition je pense aussi loolu nga lu mel noonu ngay dégager. oui mais bon xam nga euh, ñëpp xam nañ que ni voilà c' est c' est de la politique gis nañ professeur Mary Teuw Niane ngeen que yéen bon quelqu'un pour en critique la mais est ce que loolu tey lañ ko parce que gis nañ un poste de Bassirou Diomaye Faye bu mu def en 2022 mille vingt di ko attaqué littéralement. donc est ce que du tey peut être que intérêt yi ñu retrouvé moo tax ngeen bëgg ko bëgg ko voilà prendre comme quelqu'un de koo xam que deux ans ci gis je dirais mieux je dirais que il faut nous mën la part des choses entre un débat politique et un débat technique donc à certains moments dans les conférences dans les meetings dans les interviews le professeur Marito liiru nous ma ko sax mais su demee bay aussi un élément de passé aussi ne peux pas analyser sur un angle politique C'est mon propre analyse euh, benen bi aussi tamit lu mu attaqué euh, quels sont les points ban est-ce que attaque la mais est-ce que est-ce que de contribution loolu aussi c'est un élément su ma ko dégloo xam naa aussi naa si gën a ñëw aussi en mais déjà de principe képp ce xam na professeur pour Teuw Niane ceux qui ont eu la chance nga xam ne am chance pour liggéey ak moom xam nañ ne un travailleur c'est un homme de conviction c'est un homme de principe et que c'est pas pour rien le président Bassirou Diomaye Faye jox cette responsabilité man qui a eu l'occasion aussi euh, de lui fréquenter de travailler un tout petit peu avec lui je sais aussi principe de a mais s'il y a des discours antérieurs je pense que aussi ce qui analyser analyser si surtout l'aspect qui est lié aussi à la politique. donc je suis nañu le gouvernement bi euh, le premier ministre Ousmane Sonko moom la war a taxawal ci fan gouvernement ay anciens yoo xam ne ministre yoo xam ne que ñu ngi woon sous Macky Sall bon parce que comme yéen peut-être compétence rek moo leen moo leen intéressé donc mën nañ xaar ay parce que quoi qu'on puisse dire ci sous Macky Sall am na ñoo xam ne que liggéey nañ ñu def ay preuve ñu gis ko ay ministres yoo xam ne vraiment seen liggéey c'était c'était visible sur le terrain. Mm-hmm. donc est-ce que mën nañ xaar que les ministres yooyu le président Diomaye Ousmane Sonko dañ leen di jël boole leen ci ci ci gouvernement bi. Euh, soo xoolee l'expression populaire mooy que élection yi mu demee avec 54 virgule et quelques pour cent c'est une expression de rupture le peuple sénégalais demande la rupture L'autre c'est deuxièmement aussi la compétence n'a pas de frontière Nous trouvons. à Faut des mecs fait rek ah, troisièmement qui connaît passif qui connaît la coalition Diomaye qui connaît les membres de la coalition xam ne eux ils sont ils sont toujours prenés la conséquence là pour ma répondre à cette question bi le prochain gouvernement man j'ai l'intime conviction te gouvernement bi amul du am kenn koo xam ne ni am na loo xam ne ni ñoo ko doon taxal antérieurement si gestion boo xam ne ni mu sonal même si que fekkoon ne kooku noonu bokkoon na si benn gouvernement loolu je sais que képp koo xam ne ni nar naa bokk si gouvernement bii ni le président Bassirou Diomaye avec le président Sonko bi ñu bëgg a mettre en place qui peut dire que politique je pense que mais il peut y avoir aussi certaines personnes de qui sont qui seront peut-être jugées par leurs compétences effectivement C'est aussi le Sénégal pas beaucoup, Sénégal solo c'est la compétence mais cette rupture là l'expression populaire les population qui il faut que nous aussi aussi